Fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans cette première émission de la semaine du Niger sur Kalangou en ce lundi 5 août 2024. Où que vous soyez, nous vous remercions de votre fidélité. Je suis Ali Moukela alias Seno et je suis avec Rukayatou Abdraman pour la présentation. La technique est assurée par Abdulkader Chambiano et Adama à l'édition. Rukaya, bonjour. Bonjour Seno, ça va je vais bien, Dieu merci. Alors, quel est le programme du jour Aujourd'hui, Rukaya, nous avons concocté comme d'habitude un programme costaud qui captivera nos auditeurs. Nous débuterons par un flash d'information suivi d'un mélange musical mettant en lumière la musique nigérienne. Par la suite, une séance captivante du loti avec l'équipe féminine du studio Kalangu nous attend suivi des analyses sportives euh, dynamiques de notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Gourouza, sans oublier la culture linguistique. Toujours dans ce menu nous. de la rubrique Invité du jour, nous recevons l'artiste Yacouba Adamou alias Blackmailer. Il est artiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète de la musique reggae. Avec lui, nous allons parler du genre musical reggae et de sa place dans la société d'aujourd'hui. de la rubrique hebdomadaire, nous parlerons justice comme chaque lundi. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Zander précisément dans le village de Chiata Habu pour parler des femmes qui font de la pêche leur euh, principale source de revenus grâce à la mare du village. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Sans trop tarder, fidèles auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rukaya, bonjour Sino. Bonjour. Alors pour ce matin, il y a la première édition de la Journée nationale de l'arbre qui a été officiellement lancée samedi par le chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdraman C'était à Gessel Bodi, situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey, dans la région de Tilaberi. Célébré sous le thème Grande muraille verte au Niger, passons à l'action. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance du Niger, célébrée chaque année le 3 août depuis 1960. Le général de brigade Abdramantiani a annoncé le même jour lors d'un entretien que le CNSP a initié la réorganisation rapide du dispositif sécuritaire pour l'adapter aux, objectifs de défense et de protection des populations. Parmi ces mesures, le redéploiement de la montée en puissance des FDS a précisé le chef de l'État. Le président du CNSP a déclaré, je cite, le cas le plus récent est le recrutement de 10 000 hommes qui a déjà commencé le premier er 2024 et qui s'effectuera en deux phases pour des raisons de formation de qualité. Enfin, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, a, précisé, a présidé samedi 3 août 2024 à Niamey la cérémonie de clôture de la première édition de la semaine culturelle dénommée Al-Ada, placée sous le thème Al-Ada Sonkasa Laboubaksene. Des prix ont été décernés aux lauréats de cette semaine culturelle après dix jours de retrouvailles et d'intenses communions. Cette activité selon le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports a été voulu pour célébrer l'an 1 du CNSP et pour établir un pont avec l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour ces informations. Alors, chers auditeurs, nous l'annonçons tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité euh, l'artiste Yakuba Damou alias Blackmailer. Bonjour Blackmailer. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète de la musique créée. Donc avec vous aujourd'hui, nous allons parler de ce genre musical au Niger et de sa place dans notre société actuelle. Oui, mais avant de lui donner la parole, écoutons d'abord ensemble l'un de ses titres. C'est parti avec le titre Fatigué. fatigués, fatigués, nous sommes fatigués, fatigués, fatigués, fatigués, nous sommes tous fatigués. Il faga, il faga, il faga, il non faga, mungaji, mungaji, mungaji, mungaji. Nous sommes désavisés par les conflits, désorientés par les troubles fatigué de percer nos larmes, fatigué de compter nos morts. Il paraga mon nous sommes fatigués, nous ne voulons que la paix. Nous ne voulons que la paix. Ma mère patrie est fatiguée, fatiguée du deuil, du deuil de ses enfants ses enfants. Maman patrie, tu es fatigué Je sais, tu es épidé Fatiguée et désabusé et ton drapeau souvent en fatigué fatigué fatigué fatigué Nous sommes fatigués. Fatigué, fatigué fatigués. Nous sommes tous fatigués. Il farga, il farga. hir farga hir kulno farga hir farga mun gaji kalongu bore bumbo sun Nous sommes fatigués. De voir nos familles endeuillées. Nous sommes fatigués. De voir les avenirs écoutés. Mungaji, Mungaji. Mungaji, Moudoko Mungaji. Il faga, il faga. Il faga, il faut non farga. Fatigué, fatigué. fatigué, nous sommes fatigués, fatigués, fatigués, fatigués, nous sommes tous fatigués. Il faga, il faga, il faga, il court non faga. Mungaji, mungaji, mungaji, mon mungaji. mungaji. la paix. Il e faut instaurer la paix. Il e faut instaurer la paix pour toute l'humanité. Il e faut instaurer la paix car la liberté des enfants de Dieu commence par la paix. La liberté des enfants de Dieu par enfin par la paix. Oh, la paix. Fatigué, mmh. fatigué, fatigué, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, de ces conflits. Fatigués, nous sommes tous fatigués. L'Afrique est fatiguée. Il faga, il faga, il coule non faga. La bise est coule la faga. Mungaji, Mungaji, Mungaji. Wallahi Mungaji. Fatigué. fatigué sans fatiguer. L'Afrique est fatiguée. Fatiguée, fatiguée, nous sommes tous fatigués. Le monde est fatigué. Il faga, il faga, il coulant faga. Bernard Bumbo Farga. Mungaji, mungaji, munga mungaji. Wallahi mungaji. Yeah, man. Voilà, c'était là le titre fatigué de l'artiste Black Mailer qui est avec nous dans ce studio. Alors Black Mailer, avant de rentrer dans le vif du sujet de nos échanges, parlez-nous un peu de ce titre que nous venons d'écouter. D'où vous vient l'inspiration Bon, ce titre, hein, euh, je me dis, c'est comme on dit, les artistes, ce sont euh, des voix de sans voix. Euh, un moment, vous savez... On a vécu un moment tragique, ou disons même des moments tragiques, euh, n'est-ce pas, au Niger, avec des tueries par-ci, par-là de nos enfants, les FDS sur le terrain. donc, euh, ceux qui sont euh, censés assurer notre sécurité ont été vraiment trop délaissés, surtout par rapport à la qualité des armes et que sais-je encore. Donc, euh, c'est l'expression du, peuple, n'est-ce pas Donc, le deuil que le peuple subit. Donc, euh, euh, comme le peuple n'a pas cette opportunité d'exprimer, bon, je ne veux pas dire un ras-le-bol, mais d'exprimer son deuil. Donc, c'est ce deuil que j'ai transcrit, n'est-ce pas Donc, au nom du peuple, donc dans la chanson Fatigué, mm. pour dire que nous sommes fatigués, n'est-ce pas, donc des Thierry et, de nos enfants, de nos FDS, qui leur vocation, c'est d'assurer euh, la sécurité du peuple. Une semaine, deux semaines, chaque jour, le drapeau du Niger est en, berne, vous voyez, donc un peuple qui est toujours en deuil. Or, la vocation de la vie, c'est de la vivre, n'est-ce pas, donc de façon très belle, mais pas de façon endeuillée, vous conviendrez avec <laughs> moi. <laughs> donc, c'était ça, en fait, le résumé de la fonction. Pour rappel, donc, je devais faire un concert à Tilaberi avec... Euh, une ONG euh, sur les questions de paix. Donc, euh, moi, j'étais à l'extérieur, c'est en cours de route <laughs> donc, que j'ai euh, écrit ces textes. Parce que j'étais vraiment endeuillé quand j'ai appris donc, euh, certaines tueries à une grande échelle. Donc, je suis revenu, rentrer sur lui et continuer à faire les concerts à Tilaberi sur les questions de paix. Et ce qui a fait que depuis 2019, il y a un festival international de reggae sur les questions de paix. Donc, je travaille sur beaucoup de questions sécuritaires, vraiment pour que les artistes aussi continuent contribue à la stabilisation, n'est-ce pas, donc à la sécurisation et sur les questions de paix, n'est-ce pas, donc au Niger, en Afrique et pourquoi pas pour l'humanité. C'est noté. Merci. Alors, pour commencer avec euh, nos échanges, euh, pouvez-vous nous dire euh, concrètement c'est quoi la musique reggae Bon, écoutez, la musique reggae, chacun peut la définir comme il veut. Hein. Mm. <laughs> comme Pitatoche, il dit musique is euh, fait là, il dit musique is my, weapon. Donc euh, la musique c'est mon arme. Donc si vous ceux qui connaissent euh, c'est quoi le rastafarisme et les liens qu'il y a entre le rastafarisme et et, et, et la musique reggae, si vous voulez, c'est la musique reggae c'est l'instrument de mise en œuvre de la philosophie rasta en, un mot, pour parler très philosophiquement, <laughs> vous voyez. donc, <laughs> ça donc c'est, notre arme. Donc, autant que les militaires, il, a son treillis, c'est kaki, donc, et il a son arme, son, son, fusil, ça dépend, de, ça peut être un cassette, un, un, quoi que que c'est encore les, les missiles sol-sol. Donc, dans la musique reggae aussi, euh, nous, c'est notre arme. Donc, la musique reggae, c'est une arme de façon très, euh, très ramassée et très, ah. très, très, très, résumée. Quoi, Vous voyez. <laughs> on, entend souvent euh, beaucoup de gens dire que la musique reggae a une fonction éducative, a une fonction, c'est une musique qui conscientise. Est-ce que, quelle est sa fonction réelle Bon, en fait, vous savez, il y a peut-être deux champs qu'il faut comprendre, mm. la revendication et l'action. Mm. C'est comme le syndicalisme, il y a le syndicalisme des revendications et le mm. syndicalisme d'action. C'est la même chose que dans la musique reggae, en fait. C'est d'abord revendiquer ce qui est normal. Et vous voyez, il y a, n'est-ce pas, donc, toute société est imbue des injustices. Donc la musique reggae intervient, le réglement intervient pour corriger, et dire aux, décideurs, par exemple, ou à la société, soit de changer ou de faire changer les choses. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Si vous voyez, c'est comme si euh, nous, avons, sommes une société, il y a une rive et les, euh, les rastaman ou le réglement, il est de l'autre côté de la rive, il observe, comme, n'est-ce pas, donc, euh, un médecin observe son patient. Donc pour lui, la société, c'est un patient. Donc il voit s'il est en bonne santé, il est tranquille, <laughs> lui-même il est content. <laughs> <laughs> s'il est malade, donc il dit non, euh, il y a telle maladie, il faut la corriger. Donc je crois même de façon imagée, c'est comme ça qu'il faut comprendre la fonction de la musique créée. Ce qui fait que donc, euh, elle est d'abord revendicative et elle est éducative. Ça va dépercer une suite logique. nous sommes dans une dynamique éducative, c'est vrai. donc, parce que la revendication vient corriger ce qui est anormal donc pour la mettre dans une dynamique normale. Mm. Ok. Votre, eh, Black et votre euh, parcours musical, comment avez-vous commencé et qu'est-ce qui vous a vraiment attiré vers ce genre musical qui est le reggae Bon, peut-être ça. Est-ce que ce n'est pas une question piège <laughs> <laughs> Parce que <laughs> c'est vrai, chacun dit il est venu par ceci, par cela. Euh, moi, je dis que je suis venu par la musique, par le destin. Hein. Hmm. Euh, donc, c'est l'expression du destin auquel nul ne pourra s'échapper. Bon, en tout cas, je n'ai pas, pas imaginé être un jour un musicien, être un reggaeman, être dans la revendication et avoir des soucis avec les politiciens, mm. connaître des petits <laughs> exils, etc., etc. Donc, moi, j'ai me dis, ça fait aujourd'hui 24 ans de carrière. j'ai commencé ma musique euh, à l'université, bon, en classe de terminale en 96 exactement, j'étais au corombe j'ai fait les corambes, j'ai fait mon bac. donc, euh, mais concrètement, j'ai commencé à l'université avec les camarades du campus. J'ai fait la faculté de droit. Et donc, euh, tout est parti de là-bas. Moi, en fait, j'étais vraiment. Je, pense, voulais être un écrivain. Donc, je lisais beaucoup, j'ai beaucoup écrit. Donc, ce sont ces textes que j'ai transformés euh, en, dans, dans, ma musique. Donc, comment je suis venu Je suis venu euh, euh, par l'apprentissage auprès, n'est-ce pas, donc de mes pères, mais je suis venu, je crois bien que dans la musique, pour me répéter, par le destin. Parce que, sincèrement, je n'avais pas imaginé euh, un jour que je serais musicien. Hmm. J'étais très attaché à mes études. Bon, quand on dit, comment on dit la phrase, on chasse le naturel, mais il revient au, galop. <laughs> il est revenu au galop, il m'a terrassé. Ah, <laughs> Alors, avant de continuer, marquons une petite pause musicale pour euh, savourer un deuxième titre, bien évidemment, de, vos chansons. Et cette fois-ci, ça sera le titre Noma. je ne sais pas si c'est bien, c'est bien oui, ça. Noma, ou Noma, mais le titre, euh, euh, comment s'appelle la chanson a été titré Matasam Koma Noma. Matasam Koma Noma. Oui, c'est la même chose. Noma ou Matasam Koma Noma, c'est. Koşan arziki Koyun kaşiye Matasa mu noma Gagar ka kuma gagandu domin noma shine tushen arziki Fundi berai koyo na gawi furta je irma ye farmuga faraygo kalaygo bang, zama arzaka sikal O Oma tusha aziki, weka shia. matasa ku ne be, gobe attajiran be, arzikin ku na gona furtagai wargaci suba dottigai irsu ba arzika gangai war arzika si kala fermira mu kama aiki tattalin arzikin kasan matasa musannawinmu ne La terre ne ment pas, notre richesse est dans la terre. Retournons à la terre. Kasabata karya, arzikinmu na kasa, mukoma garga. Labu ir arzaka si kala labora, irim ye formo goyoga ummen gollin leydi men leydi fanuta tantu watan jawduma al arde la takasib sarwa tuna fil arde da ana naudu ila al arde katika tu chambimba nemande kuloro kulwe kuloro wolio kitinga kampua fama tipiama ye kitingini tinkwamani kitingini amadal uridik baw tigirgis nana taha amadal akalatana amadal Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre euh, Noma, un titre qui fait appel à la jeunesse nigérienne de retourner dans les champs, n'est-ce pas <laughs> euh, Vraiment, vraiment. En fait, euh, vous savez, j'ai eu la chance de parcourir beaucoup de pays. ma première chanson que j'ai écrite et mon premier album, donc Libération, hmm. si vous regardez, si vous écoutez les, les speaks qui est à l'intérieur, fait recours, n'est-ce pas, donc, surtout à la maîtrise de l'autosuffisance alimentaire. Donc le développement n'est possible, les grandes puissances, l'Allemagne, les États-Unis, si on fouille leur histoire, on euh, se sont développés sur la base de l'agriculture. Mm. Ça, c'est indéniable. Donc ici, on a changé, renversé les choses dans notre mentalité. On pense que c'est la bureaucratie qui <laughs> pourra nous faire développer. Vous voyez, on a 1 million 267 kilomètres carrés. On fait partie des pays les plus riches en eau du monde. Et, et, on, chaque fois, on se plaint d'être, euh, un peuple affamé. Moi, je dis que c'est une aberration. Donc, ce qui fait que j'ai créé un projet. J'étais à Bamako en 2009. Euh, je suis revenu. Donc, euh, je me suis inspiré d'Ali Farka Touré et de Sangre, C'est des grands producteurs. Ali Farkatoura Agnafonke, tout le monde connaissait ce qu'il a fait Agnafonke. En tout cas, jusqu'à être maire, il a électrifié sa ville, les rizières, il a développé. Donc, vous voyez, donc, il me dit que euh, notre fonction d'artiste, c'est vrai que nous sommes là pour revendiquer, pour corriger, mais aussi il faut être dans l'action pour montrer à la jeunesse. Parce que vous voyez, au Niger, si on dit vous êtes paysan ou vous êtes de la campagne, c'est comme si c'est une insulte. Mais ce que les paysans et les campagnards produisent, tout le monde est intéressé par ça. Si vous voyez comment les gens se consomment. Le riz, le maïs. la euh, boule à Niamey. Ça vient du village. <laughs> Ça vient du village. C'est une aberration. Mais personne ne veut être euh, euh, aller à la terre. Donc c'est pourquoi. Et puis avec maintenant ce que moi j'ai appelé, mm. j'ai toujours mis ça entre griffes, avec ces vents de changement qu'on appelle révolution, mm. il faut nécessairement passer par l'agriculture, il faut nécessairement passer par l'élevage euh, pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, euh, ne serait-ce que maîtriser, n'est-ce pas, l'autosuffisance alimentaire. Je crois même que c'est une grande porte n'est-ce pas, donc par laquelle il faut passer si on veut vraiment accélérer notre développement. Les Chinois l'ont fait, les autres peuples l'ont fait, et, je crois qu'il faut que les gens, n'est-ce pas, donc, euh, euh, déposent, comme on le dit dans nos langues, notre chemise d'orgueil mm. pour accepter d'aller, n'est-ce pas, donc, à la terre. Et surtout au niveau de la jeunesse, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est très forte, mm. n'est-ce pas, donc, il faut accompagner la jeunesse avec des initiatives productives. C'est très important, même s'il faut les regrouper, euh, n'est-ce pas, donc en des, des groupes d'intérêt économique, je ne sais pas. En tout cas, les ministres de la de l'agriculture, hein, j'ai dit la culture, je l'ai toujours dit, mm. il a beaucoup de choses à faire. Les ONG qui sont dans, ont beaucoup de choses à faire. Il faut encadrer les gens vers la terre. D'accord, c'est noté. Alors, euh, euh, on est là aussi pour parler un peu de l'évolution de la musique reggae, sa place actuelle dans notre société nigérienne. Alors, comment décrirez-vous l'évolution de la musique reggae au Niger ces dernières années Bon, je crois bien qu'il faut le voir euh, sous deux angles. La première par rapport, n'est-ce pas, donc, euh, au nombre des acteurs. Nous étions peut-être trois ou quatre, n'est-ce pas, donc, euh, dans les années 90 jusqu'à 2000, on n'était pas nombreux mm. à cause de certaines considérations sociétales. C'est très compliqué, ça a été très compliqué pour nous, les aînés qu'on a trouvés, les Adam Junior, les Gas Craze, euh, donc ça n'a pas été du tout facile. Et si vous osez porter les dreads encore, c'est encore une aberration sociale pour, <laughs> pour la société. Donc, mais avec le temps, euh, ça a évolué, ça a évolué. Les musiques dérivées du reggae qui sont les rap, qui sont les morphing Donc vous voyez, les rap certain essor certains se sont permis maintenant donc de poser les dreads, etc. Donc la musique reggae a connu une certaine évolution. Maintenant, en termes aussi du message, l'autre sur l'autre angle, en termes de messages les messages, au début, ce n'était pas tout facile d'accepter les messages que nous véhiculons. Mhm. Ce qui fait que nous avons rencontré beaucoup de difficultés, hein. mais avec le temps, et, ça a apporté ses fruits. Mhm. donc, vous voyez, quand il y a eu l'événement du 26, la question des souveraineté que nous nous chantons depuis dans les années 96, 97, 2000. La question de la libération, c'est devenu 23 ans ou 24 ans après. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit <laughs> dans une interview. Nous, normalement, nous sommes en vacances, on va vous laisser le peuple, <laughs> nous allons mhm. continuer les combats. Parce que nous, nous avons fait le combat au moment où il fallait, peut-être nous étions une minorité. Mais aujourd'hui, tout le monde, n'est-ce pas, donc, euh, est dans le combat et dans le processus de la libération de la souveraineté. C'était une très bonne chose. Donc, généralement, c'est ce qu'on dit. Vous voyez, moi, j'étais Sankariste pendant 30 ans. donc, Sankara a juste posé le jalon et il est parti. Donc, euh, je considère que nous avons posé le jalon. Bon, heureusement que nous sommes avec vous, nous, on n'est pas encore parti. <laughs> De nos jours, comment le public nigérien euh, réagit-il à la musique reggae par rapport à d'autres genres musicaux non, sincèrement, le public agit de façon très, très, très positive. Hier seulement, j'étais à l'université, j'ai vu quand euh, j'étais avec Elie Kamano. Donc, euh, la musique règle aujourd'hui, surtout du point de vue de son message, mm. euh, beaucoup accepté. Il est vraiment admis. C'est, un temps, c'était inadmissible. Hein. Donc, aujourd'hui, le public adhère au message et à, la musique reggae. Donc c'est déjà une avancée très très très très, significative. Et, aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de jeunes veulent venir, même des musiciens, moi j'encadre beaucoup de, de, jeunes, ils veulent ou sont en train de venir dans la musique reggae parce que c'est un genre musical. Ils ne sont pas nombreux dans le monde. Si vous prenez le jazz, si vous prenez la salsa, si vous prenez les zouk et les reggae, c'est des musiques qui sont universelles. Et de tout temps, elles sont là. Donc aujourd'hui, les jeunes ont un, regain à aller dans la, dans, dans, dans la musique reggae. Ils sont nombreux qui viennent vers nous, qu'on aide musicalement, qu'on aide dans les textes, dans les compositions, etc. Donc vraiment, c'est de façon très positive que que le public adhère et qu'il euh, y a une certaine évolution. Hmm. Il y a un exemple palpable, Big Abdel, on le voit. Big Abdel, fait très belles chanson. chansons. Oui, Big Abdel, euh, oui, il y a euh, Big Abdel, il y a hmm. Big, Big SM, il y a Samba, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Alors, quels sont vos, projets futurs et comment envisagez-vous l'évolution de votre carrière musicale Bon, vous avez dit projet futur, bon, c'est peut-être c'est trop vague euh, parce que là, je ne sais pas, si est-ce que relativement à la musique ou par rapport à ma vie Non, par rapport à la musique. Ah, d'accord. <laughs> On, est dans le cadre musical. <laughs> D'accord. <laughs> Parce que si c'est l'ensemble, donc mon premier projet, j'allais vous dire, c'est euh, je, souhaiterais me marier. Ah. <laughs> non, c'est une boutarde, en fait. Donc, euh, en fait, euh, tout cas, le plus grand projet, c'est l'organisation de la quatrième édition du Festival international du reggae, hmm. euh, toujours comme c'est Havre d'épée. Mhm. cette année, ça va être dans la région de Tilabéry. Nous sommes déjà à pied d'œuvre avec les partenaires, Inch'Allah. En tout cas, on souhaiterait le faire avant la fin de cette année, parce que chaque année, on doit le faire. L'an passé, c'était à Zander. L'autre aspect, c'est beaucoup plus et toujours, c'est un lien, n'est-ce pas, donc, à la musique, parce que c'est la culture à l'agriculture. C'est vraiment, moi, je suis en train d'envisager de, la réalisation du clip sous forme, n'est-ce pas, vraiment d'un film documentaire qui va, on va donner aux médias nationaux, privés, internationaux, pour vraiment sensibiliser non seulement les peuples, et particulièrement la jeunesse nigérienne, africaine, à retourner à la terre. C'est très important. C'est très important. Donc, il y a des grands sites qu'on voit, que j'ai visé vers Dakoro, vers Junju et que sais-je encore. Là, je souhaiterais vraiment faire une grande vidéo par rapport à ça. Et surtout, l'autre projet, c'est l'encadrement des jeunes non seulement sous euh, l'angle de l'agriculture et sous l'angle musical. Mm. Donc nous sommes en train de faire euh, un pool d'artistes euh, voir comment les organiser euh, est très, utile sous les deux angles, sous l'angle de l'agriculture et sous l'angle musical. Super. Merci euh, infiniment, Black Muller, de nous avoir euh, honoré de, votre présence dans cette émission. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons une excellente journée et très bon vent dans votre carrière musicale. À vous de même. Merci beaucoup. Merci infiniment. On fait une petite pause, Rukaya, et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production de retour au studio. Il est 11h29 minutes et on passe directement à la rubrique hebdomadaire qui parle justice. Oui, euh, eh bien, les crimes contre l'humanité, les litiges entre États ou tout autre délit qui s'y apparente nécessite euh, un passage devant les juridictions internationales qui sont euh, différentes des juridictions communautaires de par leur attribution et leur statut. Donc, euh, c'est quoi une justice internationale Combien sont-elles Comment fonctionnent-elles Et c'est à toutes ces questions que répond Oumour Gajere Bilal, substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Agadez. Il est interrogé par Anissé Karim. Qu'est-ce que la justice internationale La justice internationale n'a d'autre sens qu'en fait euh, d'être euh, constituée de juridictions interétatiques basées sur euh, des traités et conventions qui ont vocation à trancher donc des litiges de différentes natures impliquant les États, euh, les organisations internationales ou même euh, des personnes privées dans certaines mesures euh, ayant des différents ou commis des infractions ayant un caractère particulièrement graves ou présentant un caractère d'extranéité. Quelles sont les particularités de la justice internationale Elle est basée sur des textes extraterritoriaux, des textes vraiment internationaux. L'autre aspect comme particularité, c'est en fait leur composition, leur organisation, leur fonctionnement et surtout à ce stade-là, euh, leur attribution. Donc, euh, ce sont tous ces aspects qui font des juridictions, des juridictions assez particulières par rapport aux juridictions nationales. Quelles sont les principales juridictions internationales et leurs particularités donc, euh, il y a lieu de préciser qu'elles ne sont pas les seules, mais comme on l'a dit, ce sont les principales. Nous avons d'abord la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal de l'ONU, euh, qui a vu le jour en juin 1945 à travers la Charte des Nations Unies euh, qui n'a commencé alors à exercer euh, qu'en avril 1946. Comme particularité en termes de compétences, euh, c'est dire que la Cour internationale de justice est compétente pour trancher les différents interétatiques, c'est-à-dire les différents entre les États ou entre les organisations internationales et les États donc euh, pour euh, effectivement euh, dire le droit dans des tels différents. C'est autrement dit cette juridiction qui est compétente quand il y a un litige entre deux États, entre un État et une organisation internationale pour en tout cas trouver la solution judiciaire qui sait. Nous avons aussi la Cour pénale internationale qui est aussi une juridiction internationale mais euh, à compétence pénale. Donc euh, les principales informations qu'il faut avoir sur la Cour pénale internationale de façon succincte, c'est que euh, elle est fondée sur le traité de la Cour dit statut de Rome qui et le traité créant la dite cour, il date de 1998, même si la cour elle-même n'a commencé effectivement à exercer qu'en 2002 et pour euh, avoir atteint un certain nombre de ratifications du traité en question. Il y a aussi la répartition régionale des États partis au statut de Rome, donc euh, qui fait état de plus de 120 États toutes régions du monde confondues. L'autre particularité de la Cour pénale internationale, ce sont en fait euh, ces organes qui sont au nombre de quatre. Nous avons la présidence, les chambres, euh, le bureau du procureur et le greffe. Maintenant, pour ce qui est des crimes relevant de la compétence de la Cour, ce sont euh, vraiment les crimes les plus graves, notamment euh, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Donc par agression, on entend ici donc les agressions, si vous voulez, militaires d'une puissance euh, contre une autre, d'un État contre un autre. Quelle est la différence entre juridiction internationale et juridiction communautaire Réside d'abord dans leur compétences matérielles, mais aussi dans leurs compétences territoriales. Donc par compétence matérielle, c'est en fait l'objet pour lequel euh, ces juridictions peuvent être saisies, qui n'est pas en fait euh, le même au niveau de ces juridictions selon qu'on évoque celle internationale ou celle communautaire. Maintenant, la compétence territoriale, c'est de remarquer que euh, les juridictions internationales ont une compétence plus large en termes de champ de compétences, en ce sens qu'elles couvrent tous les États partis, en cas à leur traité fondateur, tous les États qui ont ratifié donc les traités fondateurs de ces juridictions, qu'il s'agisse de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale, sont euh, tout comme leurs ressortissants justiciables de ces juridictions. Alors que pour ce qui est des juridictions communautaires, elles ont une compétence territoriale limitée au cadre d'intégration, c'est-à-dire aux seuls États membres euh, de l'organisation régionale dont euh, il s'agit de la juridiction. Quand on prend par exemple la CDAO, donc ne sont justiciables euh, de la Cour de la CDAO que les États qui sont effectivement membres de la CDAO et qui ont donc ratifié donc, le texte fondateur de la dite organisation. Vous venez là d'écouter la rubrique hebdomadaire Justice. C'est nous, nous allons encore une fois de plus consommer de la musique. Cette fois-ci, on va y aller avec Marietou de l'artiste Aïcha Toutahiroudi Dalawaisi. chers auditeurs, après cette pause musicale, euh, direction Zander pour l'écho des régions. Oui, c'est non. Et à l'instar des femmes des autres localités du Niger, les femmes du village de Chia Tahabou, de la commune de Gafati, région de Zender, se, bat pour, se battent pour assurer leur autonomisation. Elles font euh, de la pêche pour, euh, elles font de la pêche leur principale source de revenus grâce à la mare du village. Elles profitent du, marché hebdomadaire de Myria chaque dimanche euh, pour vendre leurs poissons. Maaroufa euh, Mansour du village euh, de Chiatahabou ren, euh, rencontré au marché de Myria explique au micro de Zara Boukar. muna so mu yi sana'a ko jarurruka ne babu abu dai gashi muna so mu yi kasuwanci da yin abin yin kasuwa kuma kuɗi ne kawai babu kawai ya rasa kwata-kwata to ya kama abin da shayi harkar kiwon lahiya kuna da likita mata suna tafiya likita a aihu a gida kuke aihuwa ko kuma a gauye a likita muke aihuwa a likita ciki tun yana wata uku ake zuwa awu wata bakwai a ji awu wata tara a ji aihuwa tun daga nakudan ta kama kake zuwa kawai ka zamna in lokaci yayi a ce ma lokaci yayi a zamna an kuma kamar babban likita ya kamata in ciwo ya samu a ce a wuce babban likita da kai mu ma yarda mu ayo a gida to kaman ta fannin sana'a wace irin sana'a kuke yi idan ku dogara da kanku sana'a muna ta mai da ta wannan kiyin ta mai kaman yaya mai kamar mu auni gyada muka auni gyada kamar muna gama hannu kamar biyu in muka auna muka yi mai muka seda sai mu zuba riba la asusu kuma sauran sai mu siyo wata gyada Me kuke da asusu asusu tara shi muke yi in muka tara shi ya yi bukaka kamar muka yi shi wata tara muna yin shi kamar wannan kakan in yayi sai mu wasa shi Kunin na ciki sai mu ɗauko sai mu so gyada in ta yi arhal wannan sai mu saya mu aji. in ta kwan biyu sai mu ɗauko ta mu tuke ta da mai wannan shi jihar yana nan kawai juya ce muke muna nasa kuma shi ko in yayi mu so mu sayi gyada yayi mu yi ajiya da ita in ta yi karamci in ta yi karamci mu dauko mu tuka kuma yi a samu riba ne a raba sai a raba riba kuma a ci gaba da uwa wannan sana'a da kuke na kihimi kuke samu a ciki Wannan sana'a ta kihi muna samu abin da zamu dan yi bikin mu da abin da zamu dan sai a yara kaya haka da abin da zamu saya kaya mu sa a jikin mu to kaman wada abin da muke hukuma busa hana ku shiga ku dokokin yin wannan ku taɓa fuskanta matsala ba daga hukuma ba mu ta fuskanta in sun zo ma ana daidaitawa suna zuwa kuma ana daidaitawa ana ba su dan kuɗi wani takarda ma ake cira takarda ake cira saboda da wani shabi yana zuwa wannan ya ke cewa wannan sana'a da kuke yi ba ku taɓa fuskantar wani matsala ba kaman ko yaran ku su fada cikin tafkin ko kuma wani abu Voilà, chers auditeurs, euh, il est 11h passé de 41 minutes et c'est l'heure du sport avec euh, notre chroniqueur du jour, Hasumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, le stade municipal de Niamey a accueilli hier euh, la finale de la Ligue nationale 2023-2024. Alors comment ça s'est passé oui, c'est Racing Club de Lazare qui a remporté cette finale devant Sonienka de Tilaberi. Le score était de 1 but à 0. Hassan Jibo Idrissa, entraîneur de l'équipe gagnante, est satisfait du résultat. Il est au micro de Salamato Kadri. Vraiment, on est très fiers, très fiers. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Mais toujours, on dit, le sincère, c'est de jeu, mais on a défendu. Mais ça n'a pas été facile. Mais je peux dire, je peux en, remercier le bon Dieu. Oui, parce que l'équipe adverse, vraiment, ils étaient très forts à la deuxième période. Mais on a pu les maintenir. Donc je peux dire Dieu merci, Alhamdulillah. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Surtout, déjà, on a une équipe jeune. C'est leur première participation dans ces genre de tournoi. Et moi-même, en tant qu'entraîneur, c'est pour la première fois. Oui, parce que je suis toujours avec les jeunes, avec les équipes jeunes. Donc cette année, j'ai décidé de venir aider mon quartier. Et vraiment, je peux dire, la première fois, j'ai été champion, je peux dire merci. Le fait même de défendre, c'est une force. Donc c'est des instructions qu'on les a données. Donc ils ont pu respecter les consignes. Donc je peux dire que c'est bien. Voilà, c'était là Hassan Jibo Idrissa, entraîneur de l'équipe euh, de Racing Club de Lazare. Suivant à présent euh, l'entraîneur de Sounyenka de Telabéry qui, qui, félicite son adversaire Abdul Wahab Ibrahim, toujours au micro de Salamot Kadri. C'est la chance qui est à côté de notre adversaire. Le football, c'est comme ça. Depuis le début du tournoi, on a fait un peu pas. Et j'ai promis de venir prendre la coupe, d'y créer ainsi. Et j'accepte. C'est la chance qui est à côté de l'adversaire. Sinon, les emplois ont respecté le conseil tel qu'il a été donné. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Mon prochain projet, c'est d'être parmi les deux ou trois premiers de la Ligue nationale, Inch'Allah, l'année prochaine. Inch'Allah, ils vont continuer. Mais s'il y a des clubs dans la Super League qui l'ont souhaité, moi, je vais le laisser partir parce que c'est une chance pour eux et pour continuer de montrer leur talent. Voilà. poursuivant. allez allez c'est pour vous dire que c'est Abdoulaye Wahab Ibrahim euh, qui est au micro de Salamatou Kadri. Allez, vas-y. Ok, Grouza, poursuivons notre rendez-vous sportif avec le lancement officiel d'un nouveau programme dénommé FIFA Football for Schools au Niger. De quoi s'agit-il vraiment Oui, Ruki, euh, c'est au Centre technique national de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football. Et c'est la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a donné le coup d'envoi en présence du président de la FENIFOOT. Ce programme FIFA for School est une initiative qui concerne tous les pays membres de la FIFA et vise à rendre le football plus accessible aux jeunes enfants intégrant les activités du foot euh, dans le système éducatif. Aussi, ce programme envisage d'encourager la participation des scolaires âgés de 4 à 14 ans au foot par le biais des séances structurées pour la mise en œuvre de ce programme, une cinquantaine d'éducateurs de toutes les régions du pays ont suivi une formation assurée par les experts de la FIFA. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. À demain. Merci Grouza, passe une excellente journée. Alors, chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas Oui, Rukaya, notre star du jour est Rabilou Moussa. Âgé de 18 ans, il est originaire du village de Soura Sarang Sarkin Galma. Ah, j'ai des difficultés à prononcer les mots Hausa. Hein. <laughs> Situé dans la commune rurale de Giratawa, dans la région de Maradi. Oui, il exerce la profession de conducteur de tricycle, communément appelé à qu'il utilise pour transporter les marchandises des commerçants du marché de Fadaslo de Giratawa. Grâce à cette activité, Rabilou parvient à souvenir à ses besoins, notre reporter Omar Hamma a eu l'occasion de le rencontrer. Il nous dresse son portrait. kewaye da abokanan cinikayyarsa mata yawancinsu da masu sayar da zogale rabilu musa matashi ne mai tukin a daidaita sahu kowane yini yakan yi kai tsakanin garin sura sarkin galma da kuma jiratawa wannan aikin yana yin shi ne cike da kwazo da kwarewa ga bayanan da ya yi mana tukin a daidaita muna tuka muna ɗauka haki daga nan jira ta muna kai sura sarkin galma gaskiya a takaice na kai shekara biyu dai haka na fara wannan aiki abin da ya samu shiga wannan aiki ba mu da wata sana'a yi muka yanke shawara kawai a sai muna a daidaita in dinga wanga aiki in nemi abincin da ni ci in ci da iyalina eh cikin ikon Allah kuma alhamdulillah bakin gwalgwado ko ba haka ba duk da yadda tuki ke wahala akan waɗannan hanyoyin rabilu kan iya ƙoƙarinsa domin biya wa abokanan bukatun bukatunsu musamman ma masu sayar da zogale eh gaskiya matsalolin da muke fuskanta dangance da umman ɗauki kaya kawai matsalar mu wannan hanya ruwa da suka bata hanya eh shine matsalar mu amma in baya ga wannan hanya domin Allah alhamdulillah eh sai mu ce mun gode saboda Allah kan wannan aiki namu Habsu wata dattijuwa ce haifafiyar garin Sura Sarkin Galma, wacce takan zo sayan zogale a kasuwar fada Sulo ta Shiratawa. Tana ɗaya daga cikin manyan kwastomomin Rabilu. Ta bayyana muna irin gamsuwar da ta yi da aikin nasa. Sayan haki ‘yan maka maza ka mu saye, mu mu ma gida mu ba wasu mata su saye, su ba mu riba kuma wanda za mu da mu kai kasuwa mu da mu kai kasuwa. eh muna nan muna aiki tare da su ladda muka zakkuwa su zo gida su dauko mu zaka mu sai haki su dauke mu samai da ladda kuma ba mu da dama zakkuwa su zaka su sai su ba su sadaka kuma su kai mana gida mu ba su ladan kai da suka yi mana masu hankuli na alhamdulillah kawo mu muka haife su ba abin da ya taba gama mu da su abin da muka ba su da shi suka aiki a cewar rabilu wannan aiki ne mai dimbin albarka tunda ta hanyar sa yake biyan bukatunsa da ma na iyalansa Vous l'avez certainement compris, fidèles auditeurs, c'était un portrait réalisé par Omar Hamma, rendu par Fanta Voilà, on passe au loti du jour, euh, n'est-ce pas, Rukaya Oui, c'est nous, c'est la période des grandes vacances marquée par la célébration de nombreux mariages au Niger. Ces festivités, impliquent euh, souvent des dépenses importantes, mettant fréquemment à l'épreuve les finances des futurs époux. Écoutons la discussion entre Aminata Boubakar, Zainabou Abdoulaye, Zainabou Abdou et Ismaël Ajibo à ce sujet dans le loti de ce lundi 5 août 2024. Loti, loti, loti. ay gede il irkoyga ay way sihini wallahi sihini hayaba ba ana mil no go kubno ha wartud nyaagal na mil go kosu eh arhijo ai armo bani ai go har porto me ai go si ai wai ma ai duwano ha kamat mat wai din ko ngai before dani na cheno gna gina singa ba zambar waigu ngai mingai nam fo dai te kan ne da habu hinka zambar waigu to ayya wallahi diyan ga mu. to mm wena ya dini ne ine noro din ngai gangai sol sole te da ngai batma hanse ngai min koy wai hijo da ngi chore wani bankare kan yi gidan ngem chekon boden kan kag furu ngai se ngem duguma batama kan ah ai fam to dai son da deni yongo bin kan goti ifo wonnu da yayi wai mai bayi naim deni ha aikin se kengu din kan atai se da, amma nai hakal zamban zunguna nai ha na mu fode kan ga ka koyin se na mu fode hinkini bin ngem te koyin zambar zongu <laughs> ifo imin nugo no ko kumna no lifo kai gina dai fam na mi fogi hinzini ga baga te hi wa hinnase waina hijai falna na mu fori hinza ah ifok tino wiyan bo bawo kul ha isingi hinza kul te charban de wadin man bisa wallahi yan bo ya nai go se zagaye amma hanga dai se an wanji ma mai se hanifa wangi wallahi wangi ai wai ma hey kani portable go di irma ki ai bono ga salngasi wallahi an bar de wai fok tuwane mu kwai ne hey kagidi ni portable er maci wai na mi fog hinzi hige fallan ar mil borai goguno ho kumna no walifu alo alo bin baka ni go vani ay <laughs> ni cheno dum sala nam fod hin zalin bo ha bani mo bin baka sanno kan za hanu irin wa batu nam fod hin zinirgite kan go daga charga istingi te kerbande irgite ai babu na mu foro ay nya nganda ara wani dumo wani furu zamne da kaina ai ga furu ara wani almiya lora ir salan sabodin bo hal bani ga kandin nuru wal man ta yadin noti wallahi ya no kim kwarai no amma wallahi mun bai daino hal haya agno ya cine ha zamba da duwegu na mu furu hinna da ai bin baka bani baka sai baka sai hinai su to ni bai mu kan irsin gabar mai alhali kan batai ne da habu hin kana gate ai ji bora kulsi. ifunu kele gila sabaiga ni ban me hawon dino jam iko dame wai min hawon iko dame wa hey, sala portable og dem sal ngasi mm, mm, mm. alo ir goga fam ni sebu son na bay kan wallahi ya ste da yakin zamno wiyan bubu no gara ifo si arin si butuin zai kulte charbandi wadin man bisa to har ga bai kan wudin scan boresi kele me ame kan higi ibayen me ame ni ngai na forete ifo se no aino gidan cara da yadin no aiwo ga ba ga duwai bo ah site yadin site yadin anifa irin mu dai ga faham da na mi nami batuwa talu kunno saga imati zama girga irin mi na mai bai kal dai mugun gidi hina kan goni si. danin ga arzika kan ga sai kulsam gidan hijara dai hijaban ifo na rangunwa eh hijaban isba min da alhali hannu ranu ai wala ga ba albore e to bani gungidi kwaktalo no hobun goda marji kan a gutunu kan da ka sujo kan a turiyan chadiyan makiyaje pirkit parkatai no homo no ya gune masugun haikan bor gini zan wa haikan bor te kunni su wade masine bor fufu li kirai ma dangi samgu da kin bongo bo borai kulkan ni tenis rai fa yadin ga magun gidi hina kan goni kurni si ar te wadini don da gondi hina no wadin talu kul sina aran gingini jerna am forai kulte ge fallan kawura ne walla gicim to so mata na gite aiki bora kulse batomo ne da habu hinkan a wadin kai talisara a gi ke dai no gini se na forin za kurce rana gogiti ni di wadin ga a gu sol gubori borai kan goga ka foro domo ga hingin gai wannan mi kwaye dangaka ya kin ga bo kulgin ga wannan mu cabi wallahi ya dinnu kim kwalai no ai mbo ya na cha si zagaye amma hang sanda amma hanga hangana se a wallahi ya cin wa ga bisa wone gawa irsu no rubo bi gai ni farmin zate sakfa irkan to wayi ji kwangai to ufondu gwede ya mar yang karanta se abin ba ka kalmal hanai se mar ka kawo kai ten <laughs> ah, sin tali <laughs> bin ba ko ya kin dano haya wasu bo <laughs> ine hige kal su za himat gin ket su ai woy mun moy sabun se ni kan kan badan ai se tangamo wora il ko de ben il ko gomno hey amma ni bai kan mat kan ni sanora asmai se bo a tali kul sagai armu irkoi dai mirnan kersi to za dai kan batun za ai armo sai mantin gutan tan yi ba no fono war wahijo to ya din la sabo to sanno kenza zalmai we kim dai no ni kango wino giyegi windi band giyegi danji hey Toima ma asinta ta bin baka odinka kana a kala tonton ayal bore nin bo kala to bye bye wahijo Chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Samira pour la culture linguistique en anglais et en français. Hello Samira. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture linguistique. Le samedi 3 août 2024 a été célébrée la journée de l'indépendance au Niger. Vous l'avez deviné, le mot du jour est indépendance. L'indépendance est un état de quelqu'un, d'un groupe qui juge, décide en toute impartialité, sans se laisser influencer par ses appartenances politiques, religieuses, par des pressions extérieures ou par ses intérêts propres. Indépendance en anglais veut dire independence. Independence is the quality or state of being independent. Let's take an example. She doesn't show much independence. That means elle ne fait pas preuve de beaucoup d'indépendance. Niger independence was proclaimed on August 3, 1916. That means l'indépendance du Niger a été proclamée le 3 août 1960. L'indépendance nous permet d'être totalement libres dans nos choix stratégiques et nos orientations de développement. Independence allows us to be more free in our strategic choices and your development direction. L'indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents ou la population exerce l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir à très bientôt. À bientôt, Samira. Merci. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Jarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, c'est nous, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. radio sahara ma muke samun shirye-shiryen radio kalangu abin za mu ce dai Allah ya taimaka musu shirye-shiryen su ba mu ga laihin kurmi ba je les trouve meilleurs et plus plus euh, très informative, surtout les informations sportives qui m'intéressent beaucoup. Wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu tun daga nan a gades Harkokin suna burge mu suna tsare-tsare abubuwa da dama wanda muna jin daɗin su. Gaskiya labarin studio Kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai-kwarai. abin da muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal san studio kalangu duk information da muka saurara a tace yake emission wanda ta burge ni sosai na ga ana an france kuma amma mutan ai traduce a hausa assalamu alaikum ni dai suna na shafa'i a gaskiya muna saurara studio kalangu da kyau kuma shirye shiryen sa gaskiya yana birge mu yana da kyau muna jin su wannan daɗi ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum na ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare. sunana mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki kayan shaye-shaye da abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare presk ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙara sa mana hannu cikin shi. Ina jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na ji daɗi. Ina gaida hasiya a Dubai ina Voilà, chers auditeurs, euh, les Hindadi Karewa, nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukayatu Abdraman et moi-même Ali Hussein alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Abdelkader Tchombiano et Adama Dawachi à l'édition. Bon début de semaine à tous.